nigérienne, nigérien, comme l'indique le nom de notre hymne national, l'honneur de la patrie, le Niger a aujourd'hui besoin de tous ses enfants. Pour protéger notre dignité, garantir notre indépendance véritable et assurer un avenir radieux pour les générations futures, nous devons nous mobiliser pour la défense effective de notre cher Niger. la et la persévérance et toutes les vertus de nos Mobilisons-nous pour dire non à toute forme d'agression contre notre territoire et notre peuple. Mobilisons-nous pour défendre notre souveraineté. Mobilisons-nous pour refuser toute forme d'atteinte à notre chère patrie. Mobilisons-nous pour soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité réunies au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. patrie au prix de notre sang. Nigérien, Nigérien comme l'indique toujours notre hymne national, nous sommes tous enfants d'une même patrie, le Niger. Le Niger, notre patrie, le Niger, notre bien commun, le Niger, notre héritage commun. Alors mobilisons-nous autour de tous les symboles du pays, à travers des sittings, des marches, bref, à travers une mobilisation permanente jusqu'à la victoire. C'est un devoir pour chaque Nigérien, fier de porter cette nationalité, de se constituer en bouclier humain et en soldat pour défendre la patrie. A pour le pour combat. À travers ces mobilisations, nous disons clairement et ouvertement non à une intégration par la violence mais oui à une intégration basée sur des valeurs de solidarité, de fraternité, de paix et de respect de la souveraineté du Niger. Bienvenue à toutes et à tous et merci de suivre ce journal dominical sur Télé Sahel. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani a reçu en audience ce 29 octobre 2023 les membres du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie conduite par Mme Bra Rekia présidente du, du comité. Cette audience qui s'est déroulée en présence des membres du CNSP a pour objectif de présenter les membres du comité et la plateforme digitale du fonds. Le Premier ministre burkinabé a procédé au lancement de l'édition 2023 du Salon du tourisme de Ouagadougou. Le Niger est l'invité d'honneur de cette cérémonie à cette occasion, je propose de suivre le reportage de nos confrères de la télévision de Burkina Faso. 2 en 1, l'édition spéciale Cito Vitro marque la renaissance du tourisme burkinabé porté au plus haut sommet de l'État. Et l'originalité de son organisation rend un vibrant hommage aux acteurs de la grande famille tourisme et consacre un changement de paradigme. Fini la résignation. Les peuples prennent désormais leur destin en main. La tenue de la présente édition du siteau Vitro revêt une importance particulière car elle témoigne non seulement de la résilience de notre secteur touristique, mais aussi est le symbole d'un peuple qui refuse de courber les chines face à l'adversité. Je voudrais ici rendre hommage à tous les acteurs nationaux du tourisme aussi bien du privé que du public. Merci de continuer à promouvoir la beauté de notre pays et de notre peuple. Je me réjouis de voir à nos côtés les délégations des pays frères du Mali et du Niger. Je souhaite que votre séjour se déroule le mieux et que les échanges et les rencontres que vous aurez dans le cadre de ce salon puissent être fructueux et ouvrir des perspectives d'un raffermissement durable de notre coopération culturelle. Le bureau du Conseil national du patronat, convaincu que ce secteur est un levier important pour la création de la richesse dans notre pays, a prévu un poste de vice-président chargé des services et un secrétariat en charge spécifiquement du développement touristique et hôtelier. Mon bureau, mon bureau se, se mettra à la disposition du ministère pour formuler des propositions concrètes. Plus de doute donc, le tourisme va bientôt rayonner grâce aux efforts conjugués des acteurs et servir de levier pour une croissance durable au profit des peuples. Mieux, une communauté touristique sous-régionale est même attendue et le Niger, pays invité d'honneur, le martel du haut de cette tribune. Notre pays, le Niger, ayant régulièrement participé à toutes les éditions du CITO, s'est réjoui de l'honneur qui lui est fait à ce CITO 2023 dont le thème est promotion du tourisme interne, facteur de résilience. Ce thème cadre parfaitement avec les objectifs de nos États de faire jouer au secteur du tourisme un rôle moteur dans le développement socio-économique. Cela est tout à fait possible. à raison des immenses ressources dont regorge notre espace et la volonté politique qui anime nos plus hautes autorités. L'Alliance des pays du Sahel est ainsi en marche dans son volet tourisme. Les officiels présents ont visité les différents stands d'exposition. Cette édition dédiée au Niger symbolise davantage l'excellence des relations entre Niamey et Ouagadougou. Retrouvons nos confrères de la TNB. Acte solennel d'ouverture des stands d'exposition des potentialités touristiques, hôtelières et gastronomiques, le Premier ministre donne le top de départ. Dans ce pavillon arc-en-ciel du CAO, c'est le Burkina Faso et le Niger en miniature. Des savoir-faire, des richesses de la culture et de la nature. Exposants burkinabés et nigériens sont honorés par ces visiteurs de marque. Nous montrons que nous avons près de 105 sites touristiques euh, dans la région avec plus de 250 euh, établissements hôteliers. Donc nous sommes en collaboration avec le conseil régional et ici nous avons habillé nos hôtesses euh, en tenue traditionnelle Moara et nous exposons aussi des pains traditionnels, plus des, sculptures en bronze de nos acteurs culturels. C'est la première fois, mais j'avoue que j'étais émerveillé quand je vois le Premier ministre du Burkina Faso aisément assis sur les lits Touareg quand je vois les ministres, euh, de la culture, de l'artisanat, aisément siroter l'été de la paix, l'été de la résilience, l'été de l'amitié, l'été du partage, je suis très émerveillé quand je vois tous les gouvernements burkinabés sous cette tente de 1500 ans de paix, 2500 ans d'amour, 2500 ans de cohésion. Je suis très émerveillé en tant que Nigérien de savoir que j'ai été invité par le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali mettent dans la main pour l'intégration des peuples à travers la culture et le tourisme, le sito vitro une occasion de rappel. C'est aussi une manière de dire au reste du monde que le Burkina Faso, en dépit des hostilités, en dépit de ceux qui se plaisent à colorer notre pays dans son ensemble en rouge, le pays reste fréquentable, le pays reste une destination à ne pas manquer parce que nous sommes le Burkina Faso, des pays des hommes intègres, fiers et surtout confiants en l'avenir. Et donc euh, nous avons souhaité donc avoir à nos côtés le Niger comme pays invité d'honneur. Et le Niger a honoré cette édition spéciale du Cito Vitro avec une forte délégation conduite par euh, Madame le ministre elle-même du Tourisme et de l'Artisanat. Et nous profitons de dire merci au gouvernement nigérien, au chef de l'État du Niger, au Premier ministre et l'ensemble du peuple du Niger. D'ailleurs, je ne me sens même pas comme invité, je me sens chez moi ici au Burkina, c'est le même climat, c'est les mêmes horizons, tout, est pareil. Donc vraiment, c'est un honneur. Et nous, avons aussi beaucoup de projets que nous allons essayer de mettre en œuvre pour avoir des relations qui ne peuvent être que fructueuses pour nos deux États. Des opportunités d'affaires et d'enseignement à saisir jusqu'au 29 octobre prochain. Pour honorer cette invitation faite au Niger dans le cadre du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie à Ouagadougou, la ministre nigérienne en charge du tourisme et son homologue burkinabé ont visité plusieurs stands nigériens. Pavillon arc-en-ciel du Siao au jour 2 du CITO Vitro 2023. Le Niger, pays invité d'honneur, vous accueille une ambiance avec Mama et ses musiciens en attendant l'arrivée des ministres en charge du tourisme des deux pays. Priska, participante à ce double événement, se laisse aller par ses pas de danse. J'adore le rythme nigérien, ça m'entraîne. Franchement, c'est rien de tel. Il est 16 h les visiteurs spéciaux sont là. Ce stand nigérien laisse voir toutes les potentialités culturelles et touristiques du pays musique, arts vestimentaires, gastronomie, des produits d'ameublement et autres. Le pays invité d'honneur est présent dans toute sa diversité. Nous avons la troupe Mamar Kassé Artistique qui anime depuis ce matin. Nous avons les stands du Niger qui représentent fièrement le pays. Nous avons au niveau du stand des professionnels du tourisme tous les plats nigériens, à savoir les dambous, les copto qui est fait à base des feuilles de moringa, nous avons pas mal de plats que vous avez déjà dégustés. Je dirais vraiment que le siteau de cette année est une réussite. Je tiens vraiment à féliciter mon homologue du Burkina et aussi toute l'équipe qui l'a accompagné pour la réussite de ce siteau 2023. Faire un tour dans ce stand cet après-midi finit de nous convaincre que nous avons tellement de choses en commun, tellement de similitudes, de proximité, que ce soit sur le plan des expressions culturelles. Et quand on parle aujourd'hui de l'Alliance des États du Sahel, c'est ça également ce n'est pas qu'une alliance euh, euh, sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, c'est extrêmement important bien sûr, mais aussi c'est avant tout une alliance des peuples, une alliance des cultures, une alliance des potentialités, des identités et des valeurs. Le responsable de ce stand, le voici, Al-Kouseni ambassadeur de la culture nigérienne depuis plusieurs années. Il est présent à toutes les grandes rencontres culturelles en Afrique. Et cette manifestation, au-delà de l'honneur fait au Niger, permet de présenter le savoir-faire de l'Afrique et ses valeurs qui sont celles de l'hospitalité, l'unité, la cohésion et la paix. Son espace est d'ailleurs surnommé le stand de l'amitié et de l'unité et à chaque visiteur on offre le thé de l'amitié. À présent, situation des contributions en espèces et en nature destinées au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie à la date du 28 octobre 2023. Ressortissante malienne répondant au nom de Cham Aïsata, un million en espèces. Diaspora Togo, 100 millions. Diaspora Dubaï, 8 millions. IMA Automobile Nature, 21 786 000. Diaspora Chine, 5 millions. Groupement de Bouza, 100 000. Anonyme, 300 000 en espèces. Anonyme Nature, 480 000. Association des anciens gardes victimes de conflits armés, veuves et orphelins de la GNN, 500 000. Banco Trading Sal, en espèce 10 millions. Alida Transfer, un chèque de 3 millions. Association Amana Mondial Gaskia, espèce 1 million. Kamar Ablaï, 825 francs. Vertin Kovi, 90 000. Village de Talcho, espèce 300 000. Population de Koni, 1 million. Ouzna Toura Rakiatou espèce 20 000. Compagnie de transport voyageurs, 29 550 000. Compagnie de Transport Voyageurs, un chèque de 12 millions. Société de transport de marchandises espèce 1 million. Anonyme, 5 millions. Chèque Haruna Sangaré, 2 millions. Ressortisseur nigérien au Canada, 8 409 000 francs. Ressortisseur nigérien Gota Ghana, espèce 550 000. Leader religieux, espèce 30 015 francs. Famille Sidouk Alzuma, espèce 100 000 opérateur économique du privé, chèque de 722 530 000 francs CFA. Diaspora nigérienne aux USA, 17 600 000. CSP Manu Gata, espèce 1 million. Téléstar, chèque de 500 000. Diaspora Korogo, espèce 440 000. Diaspora Nigeria, 80 000. Sonimed SA, un chèque de 10 millions. Sonimed SA, Nature, 40 650 000 francs. Anonyme, 63 sont millions. Anonyme, 1 million. SIM informatique, en espèce, 1 million. À la date du 28 octobre 2023, le cumul des donations est le suivant. En nature, 125 916 000 francs CFA. En numéraire, 943 millions 99 900. Total soit 1 milliard 9 millions 15 900 francs. Trois mois après les événements du 28 juillet 2023, l'économie nigérienne, malgré les sévères sanctions de la CDAO et de l'IOMOA, tient le coup. Ces sanctions ont permis au Niger de découvrir les forces et faiblesses de son tissu économique. De la manière dont le CNSP gère la sanction, disons au début, les, priorités, les priorités c'était d'aller à l'extérieur. Une offensive diplomatique, expliquer à l'extérieur les raisons pour lesquelles ils ont pris le pouvoir. Il faut faire ce travail, puisque apparemment il y a certains pays qui n'ont pas compris. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. Sur le plan prioritaire, le départ des Français est obtenu. Maintenant que quand ils vont définitivement partir, il va se, pencher sur l'aspect économique. C'est là-bas où est attendu vraiment les organes de la transition. La partie économique, il reste beaucoup de choses à faire. Et vous avez vu, euh, ça fait bientôt trois mois, on a pu payer les salaires. Donc le mois de novembre, décembre, là, c'est le mois même en période normale où il n'y a pas fermeture de frontières, c'est difficile pour les, les régies financières de mobiliser des recettes. C'est là où on attend l'organe euh, de la transition, de la, conduite de la politique économique, monétaire et financière. C'est là-bas qu'il faut faire un travail sérieux, essayer de mobiliser des cadres nigériens qui sont à l'interne et, externe, et à l'externe, des cadres compétents. Puisqu'il faut des gens qui sont connus, qui ont une adresse. On doit les mettre en contribution pour mobiliser des ressources puisque la fermeture des, frontières, c'est difficile pour les régies financières de mobiliser les recettes fiscales. Il faut mettre à contribution le secteur informel. Le secteur informel, celui qui brasse beaucoup plus d'argent que le secteur formel. Quand vous prenez l'économie du Niger, vous verrez que le secteur informel participe sur la production intérieure brute à 60%. Donc il va falloir se tourner vers le secteur informel, l'organiser les sensibiliser pour les amener à, participer à l'effort national. Puisque eux, ils brassent beaucoup plus des milliards que ces sociétés ils ne payent pas l'impôt, mais ils participent quand même. C'est grâce à eux aujourd'hui si on tient. Faire de lance de la mutation sociopolitique intervenue dans notre pays, les acteurs de la société civile apprécient les progrès enregistrés par le Niger dans le cadre de la reconquête de la souveraineté nationale. C'est un bilan satisfaisant, convaincant et rassurant. En tant qu'acteur de la société civile, euh, on ne fait que vraiment féliciter le CNSP parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité qu'ils nous ont donnée à essayer de vraiment amener le Niger là où les gens ne le pensent pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que le Niger, c'est un pays euh, riche. Euh, il y a aussi vraiment des, gens patriotes qui sont là pour la nation et pour la patrie. Donc je pense que ce bilan nous a permis aujourd'hui de créer ce qu'on n'a jamais eu, ça a renforcé ce qu'on appelle la cohésion sociale entre les structures. Ça a créé une cohésion entre même le peuple. Je dirais que c'est trois mois positifs. Je dirais que ces trois mois déjà, nous avons vu leur action. Déjà, à travers la sécurité, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les réactions qui se passent après les attaques de terroristes, c'est déjà quelque chose pour nous. Trois mois déjà que nous arrivons à nous exprimer sur les antennes, je pense que c'est à féliciter. Trois mois, surtout que le Niger est né une nouvelle ère de guerriers, c'est aussi à féliciter. En ces moments là les Nigériens se sentent beaucoup plus en sécurité. Il y a un regain de patriotisme qui, qui vient de naître à partir de, de l'avènement du CNSP. Euh, les gens sont plus libres dans leurs mouvements, dans leurs actions. Malgré toutes les sanctions qui ont été mises, on peut voir plusieurs avancées euh, rien que dans la gestion de l'État, le type de fonctionnement n'est plus le même qu'il y a trois mois de cela. Les services publics sont beaucoup plus actifs. Ces 90 jours qui sont euh, vraiment euh, pleins et très riches, d'une part par le succès que les Français et leurs troupes ont commencé déjà à déguerpir. Ça, c'est vraiment euh, une étape très importante que euh, je vais souligner dans un premier abord. Et euh, toutes les démarches qui sont en train d'être prises pour que les frontières et les sanctions de la CDAO puissent être levées, je trouve que c'est vraiment des choses très positives parce que ça contribue à la stabilité et euh, à la situation que vit le Niger lambda et le Nigérien lambda actuellement. Donc euh, pour cela, en tout cas, c'est très salutaire euh, jusque-là ce qui est en train de se passer. C'est trois mois de parcours de combattant et c'est pas rien. Et ça ne fait que commencer. Moi, je dis, c'est cette gestion-là de trois mois, vraiment, c'est noble. Parce que c'est parti de rien. Et ces gens-là, tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Avec l'appui la à 1000% de la population nigérienne acquis à leur cause. C'est parce que dans leur discours, ils ont su convaincre les uns et les autres ce pourquoi ils sont venus. Parce que moi, quand je dis, les gens, quand ils parlent de coup, j'ai dit chaque fois dans mes débats et autres, ne parlez pas de coup d'État, c'est une prise de pouvoir. Autre aspect de cette édition à Tlaberi, la commune de Damana a célébré hier le Mouloud. Initié par Cheikh Jibril Ismaël Karanta, l'édition 2023 a été mise à profit pour implorer Dieu afin qu'il protège et bénisse le Niger, surtout pendant cette période. Les précisions avec Pascal Sissou Gauthier et Suleiman Wali. C'est un événement inédit que la population de Damana Tandikandia et les villages environnants ont célébré ce 28 octobre 2023. Jibril Ismail Karanta porte désormais le titre de chèque. Pour immortaliser ce moment de joie, une nuit de prière en la mémoire du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, a été initiée. De la communion des cœurs et des esprits, lecture du Saint-Coran, des sourates, des zikres, des doigts ont été prononcés, et ce jusqu'alors par un certain nombre de leaders religieux afin que Dieu protège et bénisse le Niger. Pour l'heure, c'est une satisfaction totale qui découle de cette première édition de cette nuit de prière. C'est la toute première fois et vous voyez, il y a trop de monde. Nous remercions non seulement tous ceux-là qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette euh, mouloud ici et en même temps, nous remercions le bon Dieu qui nous a permis de l'organiser et nous, souhaitons vivement qu'il nous montre l'année prochaine pour qu'on puisse l'organiser d'une façon beaucoup plus importante. Très ému également de la présence massive des fidèles musulmans, Cheikh Jibril Ismail Karanta a adressé Tous ses vifs remerciements à ses hôtes, leur souhaitant un retour dans leurs différentes familles. Peu avant, Cheikh Jibril Ismail Karanta a émis le vœu de voir les populations de Damana, de Tandikandia et des villages environnants mettre au devant la cohésion sociale et la paix avant toute chose. À Dosso, le village de Loulougué, dans la commune de, Birning, dans la commune de Ngunga, département de Birningaouré, a aussi organisé hier la troisième édition de Mouloud, une occasion saisie par les oulémas pour implorer la grâce et la bénédiction de Dieu pour le Niger et pour tous les pays musulmans. Les précisions avec Hassim Abdullah et Abdullah Hamidou. Pour cette troisième édition du Maolid du village de Louloudjé, les fidèles ont été nombreux à répondre présents. Hommes, femmes et enfants venus de Niamey, des villages environnants, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire se sont convergés dans ce village situé dans la commune de Ngonga, département de Beningaure. Autour des autorités administratives et coutumières, dont le chef de village, Djermokoy Mamansani Insa, Cheikh Lawali de Louloudjé et Cheikh Sirazi de Tchota, ils ont magnifié cette nuit à travers des prêches et des chants religieux pour se rappeler de la vie exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est une nuit de recueillement au cours de laquelle les musulmans et les ulémas ont prié Dieu pour le Niger et pour toute la Ouma islamique afin que le bon Dieu descende sa miséricorde sur notre pays. Le Niger est à la croisée des chemins. Mais n'empêche, les Nigériens gardent espoir et ils se battent nuit et jour pour que les lendemains meilleurs puissent euh, s'affirmer pour ce pays et pour ses euh, populations. Donc euh, nous remercions tous les disciples pour avoir participé à cette nuit, mais également pour avoir mis leur énergie pour prier Dieu pour le pays et pour toute sa population. Après la prière du Fajr, les autorités administratives et religieuses ont pris la parole pour appeler les populations à la culture de la paix la cohésion sociale et la communion des cœurs et des esprits, des valeurs qui les unissent depuis longtemps. Ensuite, Cheikh Laoli Louloudjé et Cheikh Siraji de Kyoto ont tour à tour pris la parole pour remercier chaleureusement les invités ayant effectué les déplacements de Louloudjé et le comité d'organisation pour la réussite de l'événement. Ça ne suivit une longue fatia pour demander à Dieu le Tout-Puissant de descendre sa grâce et sa miséricorde sur le Niger et sur tous les pays musulmans, qu'il assiste les nouvelles autorités du Niger dans leur combat pour la sauvegarde de la patrie et enfin qu'il protège nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans le combat noble qu'il mène jour et nuit pour la protection du pays. L'église du, christianisme céleste, centre de Niamey, a organisé cet après-midi au quartier Yentala des prières pour la paix, la cohésion sociale et la compréhension mutuelle. À cette occasion, l'église du christianisme céleste a réitéré son soutien au peuple nigérien et aux autorités de la transition. Issa Mohamed Ousmane et Mubarak Mohamed. L'église du christianisme céleste regroupe les huit paroisses de Niamey et tous les fidèles de ces paroisses étaient au rendez-vous pour louer le Seigneur pour la paix et la cohésion sociale au Niger. Ces prières ont dit également pour accompagner les autorités de la transition sous l'égide du chef de l'État, le général de brigade Abdramantiani. Les fidèles ont aussi prié pour le peuple nigérien, mais également malien et burkinabé qui vivent les mêmes réalités. Le Niger, c'est notre beau pays. Si quelque chose tout le Niger, ça nous touche. C'est ce qui a fait que l'église du christianisme céleste, entourée du diocèse du Niger, s'est regroupée aujourd'hui pour demander la clémence de Dieu pour que la paix revienne au Niger. Et cette paix-là, nous nous demandons en toute sincérité que le nom de Dieu soit loué. Dans ce même élan du patriotisme, le fidèle de l'Église du christianisme céleste s'engage pour que la paix règne au Niger et au-delà. Et il y a lieu pour nous, en tant qu'hommes de Dieu, communauté chrétienne, que nous puissions nous réunir, tel que Dieu nous l'a recommandé, dans des moments comme ça, de nous réunir et de prier pour la paix dans le pays. Et Dieu nous a promis qu'à l'issue de ces prières, qu'il descendra pour rétablir tout ce qui ne va pas dans le pays. Donc raison pour laquelle nous nous sommes réunis en ce dimanche. La consolidation de la paix, la promotion de l'unité nationale et toutes les prières prononcées pour les différentes couches socioprofessionnelles professionnelles ainsi que toutes les sensibilités est un acte citoyen. La paix n'est pas un vain mot, à ton coutume de dire. L'actualité à l'intérieur du pays, les départements de Menisroa et Difa ont constitué la dernière étape de la mission de préévaluation de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique du gouverneur de la région de Difa. Il a également rencontré les couches socioprofessionnelles de ces localités. Ounga Gibri Maï Abdraman Majri nous font le point. À le gouverneur et sa délégation ont reçu un accueil triomphal. Hommes, femmes, jeunes et vieux se sont mobilisés le long de la RN1 et aux quatre coins de la ville, scandant des slogans favorables au CNSP et à son président, le général des brigades Abdraman Tiani. Au cours de la rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles du département, le maire de la commune urbaine de maine a dans son allocution présenté son entité administrative. Le préfet du département des Maïné a lu brossé la situation de la campagne agro-silvo-pastorale du département. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la région des Difa a tout d'abord transmis les salutations des plus hautes autorités nigériennes, notamment le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. Il a en outre présenté l'objet de cette visite de prise de contact et de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Le général de brigade Mahmoudou Ibrahim Bagadoma a appelé la population à inscrire leurs enfants à l'école fréquenter les centres de santé, à promouvoir la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs prévenir le feu de brousse et déstocker leurs cheptel. La campagne agro pastorale et hydraulique est caractérisée dans le département par un important déficit. Les précipitations sont mal réparties dans le temps et dans l'espace. On enregistre aussi un important déficit fourragé. Face à cette situation, la population s'est prononcée et a appelé les autorités à réagir dans le plus bref délai. Le gouverneur a rassuré ses populations et a rappelé les mesures prises par les autorités pour atténuer leur souffrance avec notamment les distributions gratuites ciblées et les ventes à prix modérés ainsi que la promotion des cultures irriguées pour résorber les déficits céréaliers et fourragers. Dans le département des DIFA, la rencontre avec euh, les cadres départementaux et certains acteurs du monde paysan a permis au gouverneur de la région des DIFA de rappeler les messages du CNSP avant de s'apaisantir sur la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique dans le département qui, à l'instar des autres localités de la région, enregistre globalement des déficits aussi bien au plan agricole que pastoral. Des recommandations ont été ainsi formulées dans le sens de promouvoir la culture irriguée dans cette partie de la région riche en ressources en eau. Une zone aussi touchée par les inondations qui fait chaque année d'importants dégâts la réhabilitation ou la réalisation des infrastructures des maîtrises de l'eau a été au centre des échanges avec les acteurs et le monde paysan. En marge donc de sa mission dans le cadre de la campagne agricole, le gouverneur de la région de Difa a visité la route Ménisroa frontière Nigeria afin de constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de bitumage de ces tronçons. Retrouvons Gunga Gibrima et Abdraman Majiri. Le tronçon Maïnosoroa, frontière Nigeria, est le lot numéro 3 des travaux d'aménagement et de bitimage de la route Difa, frontière Tchad et Maïné-Gaïdam. D'une longueur de 8 km, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Barca pour un délai d'exécution d'un an. Le gouverneur de la région de Difa est donc venu constater l'avancement des travaux qui accusent d'importants retards. C'est un tronçon long de 13 euh, km au total, dont les 5 km ont déjà été réalisés par le Nigeria. Donc le tronçon de 8 km euh, a été confié à une entreprise locale euh, depuis juillet 2020. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2023, trois ans, trois mois. Après trois ans, trois mois, les travaux ne sont exécutés qu'à hauteur de 60 pour un délai d'exécution d'un an. Il y a donc manifestement des problèmes que nous devons euh, très rapidement euh, communiquer au ministère de l'équipement qui, je l'espère, tirera toutes les conséquences. Au vu de l'importance du tronçon, qui est la seule voie praticable qui relie le Niger au Nigeria, dans la région de Difa, il est urgent d'accélérer ces travaux pour une meilleure circulation des personnes et des marchandises. Les agents de la RTN de Tlaberi ont organisé ce matin une vaste opération de salubrité dans l'enceinte de la station régionale, une initiative encouragée par le gouverneur de la région venu pour la circonstance. Le compte-rendu avec Abdoulaye Soumana. un cadre idéal de travail au personnel et offrir un visage accueillant de la station régionale RTN de Tilabiri aux partenaires Tels sont, entre autres objectifs, visés par le responsable en organisant cette journée de célébrité dans l'enceinte de la radio-télévision de Tilabiri. Le gouverneur de la région de Tilabiri accompagne le président du conseil régional, le secrétaire général de la région, la préfète du département, le maire de la commune urbaine de Tilabiri, les responsables des forces de défense et de sécurité et ceux des services techniques régionaux est allé encourager l'initiative. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a félicité Ali Saka et toute son équipe pour le travail remarquable d'information, de sensibilisation et d'éducation qu'ils abattent. Ces genres d'activités sont très utiles parce que nous venons de sortir d'une saison de pluie. Je suis sûr que sur ces arbres-là, on peut trouver beaucoup de choses et le personnel travaille sur place. Et euh, connaissant bien la mobilité des gens de la RTN, je pense qu'il serait mieux de leur rendre le terrain plus propre et leur éviter quelques mésaventures dans ces pailles. Je pense que la population de Tilaviri vient de recevoir le message et Inch'Allah, prochainement, nous serons plus nombreux. Ce genre d'activité permet aussi de prévenir certaines maladies parce que les moustiques, tout ce que vous voulez, qui peuvent, dernièrement, on parle d'une nouvelle maladie aussi. Donc, vous voyez, tous ces genres de virus peuvent se retrouver dans ces herbes-là. Donc nous encourageons le personnel de la RTN à continuer davantage ce genre d'activité. Inch'Allah, nous allons demander à la population de répondre euh, massivement à la prochaine journée. Le lieutenant-colonel Mena Boukara a émis le vœu que cette initiative soit pérenne et qu'elle serve de déclic pour l'assainissement de notre cadre de travail et de notre environnement de manière générale. Ouverture hier matin dans la région de Dosso de la troisième édition de la foire agro Silvo pastorale financée par SUSED. Cette activité a été présidée par le secrétaire général de la région, Manu Alaïsidou. Cette troisième édition de la foire d'intrants agro pastoraux de distribution de semences de qualité des herbacées, des graminées et d'intrants agricoles est organisée à Matankari dans le département de Dogondouchi par l'ONG SUSED et vise à renforcer la résilience des producteurs. C'est une édition qui est faite en deux étapes et qui vise à soutenir plus de 10 533 paysans avec une estimation de 130 millions de francs CFA dédiés à l'achat de ces intrants. Cet événement est devenu une tradition chez Swiss Aid qui devient un rendez-vous d'apprentissage et de partage entre le monde paysan. Notre objectif en tant que Swiss Aid, c'est de nous associer à tous les acteurs du monde paysan pour soutenir l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire au Niger. La présente cérémonie de Matankari vise à soutenir plus de 5500 paysans pour l'acquisition d'intrants agro-silvopastoraux. Il est important de noter que pour cet événement, six aides subventionne essentiellement les personnes les plus vulnérables, soutenues déjà durant la période de soudure par des kits alimentaires. Procédant au lancement, le secrétaire général de la région de Dosso a exhorté les producteurs afin qu'ils saisissent cette opportunité pour mieux profiter. Au vu de l'importance de cette activité pour nos producteurs et au-delà de tous les acteurs agro-silvopastoraux, j'exhorte les bénéficiaires et les autres producteurs à saisir cette opportunité pour acquérir des entrailles de matériel susceptibles de leur permettre d'améliorer la productivité de leur exploitation. Auparavant, le maire de la commune de Matankari, le chef de canton de l'aréa, l'honorable Ahmed Sabo, et le président des semenciers de Dogondouchi, Raj Abdoulaye Mezama, ont tous salué cette initiative car ont-ils affirmé la bonne production dépend en grande partie des semences. Le président de la plateforme paysanne, lui, a exhorté les Nigériens à produire et à consommer les Nigériens. Au cours de ces activités qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Urgence Nexus 2023, qui a accompagné déjà 2500 producteurs, 5 491 producteurs recevront des subventions pour acquérir d'intrants et de matériel de qualité, d'où la remise de ces bons valeurs aux producteurs. Enfin, cette cérémonie a été sanctionnée par la visite des stands. Retour à Tlaberi où une vaste opération de saisie des camions transportant une importante quantité d'essence destinée à l'approvisionnement des bandits armés. L'opération a été menée par les éléments du FDS de Baleyar. Dans l'après-midi du vendredi 28 octobre 2023, aux environs de 14h55 minutes, les éléments de l'Office central de répression du trafic illicite d'espéfiants occultistes de Baleyara en poste à la barrière route de Niamey à l'entrée de Baleyara ont, au cours d'une opération de contrôle de routine, découvert 78 bidons de 25 litres d'essence cachés sous des sacs de mille dans un véhicule de transport en provenance de Niamey. Ayant compris que leur forfait est sur le point d'être découvert, le convoyeur a tout de suite pris la poudre d'escampette, mais c'est sans compter la vigilance et l'abnégation des agents qui, après une course-poursuite, l'ont immobilisé. Cette saisie porte sur 78 bidons d'essence dissimulée sous des sacs de mille. ont quitté Niamey. Le propriétaire, il a acheté des camions au niveau d'une station à Niamey et les deux produits ont une destination différente. Au cours de son interrogatoire, l'intéressé a indiqué avoir acheté l'essence dans une station de Niamey et que ces bidons ont pour destination le village de Gosso dans le département de Walam. Aussi, l'affût à de cet individu a permis de découvrir la somme de 261 500 francs CFA. L'intéressé, le véhicule et son chargement ont été mis à la disposition des autorités compétentes. Bravo une fois de plus à nos FDS. À Zander, cérémonie de remise des kits d'accompagnement aux élèves de métier de la commune rurale de Wallalewa au total, 55 élèves bénéficieront de cette aide entièrement financée par la commune rurale de la dite localité. Arut Rosa et Ali Habou pour les détails. Cet appui est estimé à une valeur de 25 millions de francs CFA, dont le financement a été assuré sur le fonds propre de la commune rurale de Olilewa. Cette formation est répartie en des filières telles que économie familiale et couture, construction métallique, menuiserie bois, électricité et bâtiments et mécanique rurale au profit de 55 élèves sortis fraîchement du centre de formation au métier de la commune rurale de Oléloa pour affronter leur vie active afin de pouvoir marquer leur autonomie. Nous, la jeunesse de la commune rurale de Oléloa, nous saluons et apprécions les initiatives combien de fois importantes faites par les autorités communales. Enfin, ces kits d'accompagnement attribués aux jeunes sortant du centre de formation permettront sans doute le rabaissement du taux de chômage et de l'exode rural. En remettant ces kits, le maire de la commune rurale de Oliva leur a prodigué des conseils d'usage. Ces kits, nous pensons qu'ils ont été payés pour ne pas être dans la rue uniquement, c'est pour qu'ils soient utiles au niveau de la société et que tous les jeunes doit vraiment s'y mettre pour que nous puissions vraiment avoir un haut degré, éviter les exodes ruraux et autres. Que vraiment euh, la mairie a accompagné les CFM en leur octroyant ces kits et nous sollicitons vraiment bon usage. Et le directeur du centre de formation des métiers CFM, Ilyasu Sabo, ont pris la parole pour remercier très sincèrement le maire pour son implication et son abnégation dans l'optique de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques de ces jeunes élèves vulnérables de la commune rurale de Olilewa pendant ces deux dernières années. Notons enfin que les autorités administratives et coutumières ont procédé à la remise des kits d'accompagnement aux bénéficiaires. Le rassemblement des jeunes Nigériens patriotes a rendu public hier soir à la place de la résistance une déclaration relative à la situation actuelle de notre pays. La structure entend apporter son soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le Rassemblement des jeunes nigériens patriotes est une association des jeunes. Son contexte de création est intervenu à l'occasion de la première apparition du chef de l'État, président du CNSP, le général de brigade, son Excellence Abdraman Chani, lors de son discours le soir du 2 août 2023. À l'occurrence, ces discours a vivement suscité l'engouement de la population nigérienne, notamment l'appel du chef de l'État à l'endroit du peuple nigérien à la solidarité et à l'unité vis-à-vis des forces extérieures malsaines et impérialistes et leurs complices de l'intérieur. Mes jeunes compatriotes et concitoyens, vous êtes les brillants esprits de demain. Votre attention est particulièrement demandée aujourd'hui pour comprendre les intentions salvatrices du CNSP pour un Niger, un Niger de demain radieux, un Niger pour nous les jeunes d'aujourd'hui c'est le lieu de préciser que les véritables bénéficiaires des accomplissements du CNSP seraient les jeunes Nigériens, alors nous devrons rester patriotes et tolérants vis-à-vis des lourdes tâches qui pèsent sur les épaules de nos veillants généraux et héros. Ils ont relevé le défi risqué et inédit de restituer au peuple nigérien sa liberté et sa sécurité. Au reste, le RGNP s'inscrit sur cette logique pour apporter son soutien au CNSP en vue d'une transition paisible sereine et sûr. C'est ainsi que le soutien du RJNP au CNSP est inconditionnel et implacable. Poursuite de la caravane de sensibilisation du mouvement pour une conscience patriotique au niveau du rempoint dans l'arrondissement communal Niamey 5, Issa Ousmane Mahamat et Mbarak Mahamat étaient également suivant leur compte rendu. Comme dans les autres quartiers où la caravane a passé, les riverains d'Arobanda étaient sortis massivement pour accueillir et écouter les membres du mouvement pour une conscience patriotique. Plusieurs thèmes relatifs à la cohésion sociale et le savoir vivre ensemble ont été développés aussi des sujets ayant trait au sens de la patrie, alliés avec le noble combat du CNSP pour la sauvegarde de la patrie, ont marqué l'attention du public et ont suscité des échanges enrichissants entre les populations et le membre du mouvement. Le thème de ce soir, c'est la conscientisation du peuple nigérien, la cohésion sociale et l'esprit patriotique que nous, nous cherchons à réinculquer aux Nigériens. Voilà pourquoi on a fait le choix de parler aux citoyens nigériens, de donner la parole aux citoyens nigériens. Ces sanctions-là qu'on nous a infligées, nulle part au monde ça s'est fait. Mais ensemble, on va gagner. Ensemble, Inch'Allah, on va tenir parce qu'on croit à notre saint et on croit à notre liberté, on croit à notre dignité. Et cette liberté-là, tout le monde est conscient. Les enfants, les grands, tout le monde. On est conscient que cette liberté-là s'arrache. La caravane se poursuivra et concernera tous les quartiers de Niamey avec le même engagement de la part des membres du mouvement pour une conscience patriotique qui vise à travers cette initiative de sensibiliser les populations nigériennes sur la cohésion sociale et le savoir-vivre des valeurs ajoutées dans le cadre du combat noble que mène aujourd'hui le CNSP avec le soutien du peuple nigérien pour la sauvegarde de la patrie. Point final de cette édition d'information sur Télé Sahel. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à toutes et à tous.